le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio calam, le forum du studio Calam. le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, aujourd'hui vendredi 25 mai 2018, le Forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par la rencontre mardi à Niamey entre les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI et les partenaires aux élections au cours de cette euh, rencontre, le président de la CENI a fait le point des avancements euh, de l'organisation euh, des élections de 2021. Sur le plan sécuritaire, dans la nuit du 19 au 20 mai dernier, des hommes armés arrivés sur des motos ont attaqué le village d'Agay, département à Dayoru, région de Tilaberi, aux environs de 19 h Le bilan fait état de 17 morts et un blessé grave évacué sur Tilaberi. Sur le plan hydrique, euh, la situation de détresse avec euh, l'étiage sévère du fleuve Niger, une sérieuse menace pour la production d'eau, pour euh, la pêche, la navigation, etc. Le fleuve Niger connaît aujourd'hui son plus bas niveau depuis plus de 30 ans. Sur le plan académique, dans une déclaration rendue publique hier à Niamey, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens dénonce le refus du gouvernement de négocier malgré la suspension de la grève illimitée et des scolaires. Avec nous en ce moment pour, développer euh, ce thème, Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, docteur. Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir et Boukar Siddiq Ali, journaliste, analyste politique. Boukar Siddiq Ali, euh, bonsoir. Bonsoir. Après les partenaires aux élections mardi dernier, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI a convié hier à Niamey les partis politiques objectifs, faire le point des préparatifs des élections de 2021 et parler des avancées enregistrées de la mise en place du fichier biométrique. Les partis membres de l'opposition ont encore décliné cette nouvelle rencontre. Reportage Habibou Garba. Dans son allocution, le président de la CENI a exposé l'ensemble des activités menées depuis le 3 novembre 2017, date de l'installation de l'institution permanente. Aussi, il n'a pas manqué de souligner que les partis de l'opposition n'ont pas encore occupé leur siège au niveau de la plénière. Cette absence de l'opposition politique est jugée par le chargé des élections du parti PNDS Taria d'incompréhensible, Boubacar Sabo. Peut-être l'opposition a ses raisons de ne pas participer, mais il faut reconnaître que c'est une représentation paritaire. 3-3, ce qui est en termes de représentation même à l'Assemblée nationale disproportionnée parce que bien que disposant de plus de deux tiers des députés à l'Assemblée, la majorité n'a que 50% des représentants des partis politiques. Le parti PJD Akika a été représenté par son président des Pour lui, la CENI n'a pas la compétence de convoquer les partis politiques. Aussi, il ajoute que la configuration actuelle de la CENI manque de crédibilité. Karim Mahamadou Soumana. Lorsqu'il s'agit des partis politiques, c'est au niveau du CNDP d'adresser des correspondants aux différents partis politiques et non à la CENI qui a vu le jour de manière inconsensuelle. Après cette interview, le Parti pour la justice et le développement, PJD Hakika, doit se retirer de cette rencontre parce que pour nous, les voies normaux n'ont pas été respectées. Depuis un certain temps, les acteurs politiques contestent le nouveau code électoral et la CENI qui en est ici. Des contestations qui ont d'ailleurs occasionné le départ du parti MPN Kishinkasa de la mouvance des partis de la majorité. Notez que demain, la CENI rencontrera la presse et la société civile. Issa Madougou, commentaire après avoir écouté cette euh, réaction. Je crois bien que cette rencontre d'information euh, initiée par la Commission électorale nationale indépendante CENI avec les partenaires, tous les partenaires du processus électoral est une bonne chose parce qu'il faudrait informer tous les acteurs euh, où en étant depuis l'installation dans nos, novembre 2017 à nos jours, qu'est-ce qui a été fait est-ce qu'il y a-t-il un chronogramme qui a été établi Mais il se trouve que depuis l'installation de la CENI, il y a un sérieux problème qui se passe. Il y a un blocus parce que la CENI jusque-là reste bloquée. On a vu les missions <clears throat> à deux reprises de l'OIF, des experts de l'OIF qui sont venus dans ce pays pour chercher à ce que ce caractère inclusif dont se réclamait la CENI, que ça puisse être une réalité dans la conduite des missions de la CENI. Mais malheureusement, jusque-là, les choses sont en train d'être bloquées parce que l'opposition refuse de du CG et on a vu encore mieux encore un parti membre de la majorité qui a claqué la porte pour les mêmes griefs. Donc moi je pense que cette la CENI ne peut pas faire que c'est au gouvernement de prendre euh, vraiment ses responsabilités en, en convoquant une réunion participative du CNDP pour que tous les acteurs se retrouvent et de manière consensuelle de trouver les solutions à, à ces problèmes. Parce que sans ce, ce caractère inclusif je ne pense pas que nous pouvons aboutir sur un processus transparent. C'est ça aujourd'hui. La crédibilité des, des, élections passe d'abord par la transparence et la participation de tous les acteurs. Or que c'est euh, à travers ces trois jours d'échange que le bureau de la CENI a eu, il peut en ressortir d'abord <coughs> l'établissement du, du programme, comment la CENI compte, mais quand même sans l'effectivité du membre, des membres du bureau, je ne pense pas que la CENI puisse remplir cette, mission et que ça puisse être perçu euh, par les partenaires du Niger comme l'engagement de l'État nigérien à faire des élections transparentes et crédibles. C'est pour cela parfois le boycott n'est pas forcément la meilleure solution, mais il faudrait trouver le juste milieu pour que tous les acteurs et le jusqu'au boutisme adopté aujourd'hui par la majorité, je pense que ça aussi ce n'est pas bon en démocratie parce qu'on ne peut pas être vraiment s'entourer dans, une forme de d'autarcie pour conduire un processus qui est censé être participatif et inclusif. C'est ça aussi le problème. Donc, il revient à tous les bords politiques aujourd'hui de comprendre que ces élections, c'est pas pour l'intérêt des politiciens d'abord, mais c'est pour l'intérêt du Niger. Quand nous aurons des élections apaisées, transparente et crédible, c'est pour l'intérêt du Niger, pas des élections qui risqueraient en fait d'entacher la quiétude sociale. Garé Amadou, la rencontre avec les partis politiques s'est faite sans les partis de l'opposition et sans les non affilés qui ont choisi la politique de la chaise vide. En quoi le préalable posé par l'opposition peut-il faire avancer non, il faut faire, il faut faire extrêmement attention dans le cadre de ce processus-là, parce que là, on est dans une situation de démocratie que l'opposition veut dénier, ou dans une situation parce que l'opposition est minoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. On est en train de jouer un jeu extrêmement dangereux, un jeu capital pour la de la démocratie nigérienne, parce qu'il s'agit de savoir si est-ce que ceux qui ont la majorité au niveau du Parlement peuvent, en tout cas, voter des lois, et, que la minorité, est-ce qu'elle peut empêcher à ce que cela soit mis en œuvre ou pas La question des, élections n'est pas une question. Non, c'est le code électoral. Elle découle du code électoral. Attention, elle découle du code électoral qui a été voté par l'Assemblée nationale. Tout ce qui a été fait a été décidé à partir du code électoral. Et le code électoral a déterminé la composition de la CENI. Vous comprenez Les partis de la majorité ont trois représentants. L'opposition a trois représentants. Tout le reste, c'est des cadres. L'opposition dit qu'elle n'est pas d'accord. Je suis d'accord avec Issa. La politique de la chaise vide là, que l'opposition veut adopter là, c'est extrêmement périlleux. Parce que la communauté internationale est en train de nous voir. La communauté internationale a très bien vu qu'au niveau du Parlement, n'est-ce pas, tous les débats ont eu lieu et que ce code électoral là, a été voté par l'écrasante majorité des députés. On a 171 députés et l'écrasante majorité a voté ce corps électoral-là. Et voilà cette minorité-là qui a été mise en minorité, si je peux me le répéter, qui dit qu'elle refuse à ce que cela soit appliqué. Donc on est là dans une situation vraiment extrêmement euh, euh, grave où il faut, euh, c'est la survie de la démocratie qui est en jeu. Parce que des gens veulent le remettre, parce qu'ils sont minoritaires, ils pensent que non, la minorité peut imposer sa loi à la majorité. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et j'ai vu l'argument du militant du pays, le président du à Son argument ne tient pas la route. C'est complètement absurde. Parce que qu'est-ce que la CENI fait La CENI est en train de, consulter toutes les structures socio-politiques du Niger. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas mauvais en soi. Et d'ailleurs, l'opposition, c'était le meilleur moment pour vous de venir pour exposer vos problèmes, pour dire que le processus actuel là, malgré le bilan que la CENI fait, vous, n'êtes pas d'accord parce que vous, d'abord, vous n'êtes pas dedans et que voilà, voilà, voilà, voilà. C'était le moment. Mais vous vous retirez, vous voulez parler avec qui Il a parlé du CNDP. Le CNDP n'est pas une, institution constitutionnelle. Je suis désolé de lui dire ça. C'est la CENI qui est constitutionnelle. Le CNDP on peut même l'effacer. Moi, j'ai appelé à effacer le CNDP. Il ne sert à rien du tout. Parce que même au niveau du CNDP. Non, non, le CNDP sert à rechercher le consensus. Non, mais, est-ce qu'il ne fonctionne pas Mais lui-même qui parle du CNDP. Combien de fois les gens sont en train de boycotter le CNDP Depuis quand est-ce que le CNDP, en tant que tel, regroupant toutes les structures, toutes les sensibilités, s'est réuni Non, il n'y a pas de CNDP. Il ne sert à rien du tout, donc il n'a pas invoqué le CNDP. Le représentant du PGD Akika, ça ne sert à rien du tout. La CENI est en train de consulter toutes les structures sociales. Vous avez vu, elle dit qu'après ça, elle va rencontrer la société. Aujourd'hui, la société civile, la presse. Mais, la société civile, ce n'est pas, pas des partis politiques. Et ce n'est pas pour rien que la CENI est en train de consulter. C'est pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est le bloc... la fin du blocage n'est pas pour demain. Mais, mais, n'est pas pour demain. Mais parce que là, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'apparemment, l'opposition, n'est pas dans une posture de participer aux élections de 2021. L'opposition est dans une posture de boycott. Boukar Kali, la CENI a-t-elle compétence ou qualité pour euh, réunir les partis politiques Quelle sera la suite euh, du processus électoral sans l'opposition Moi, je pense qu'il faut un peu euh, modérer les débats, essayer de voir un peu qu'est-ce qui peut être utile pour notre pays et pour nous-mêmes en tant que citoyens de ce pays. On parle d'abord d'élections qui parle d'élection parle de paix et de stabilité. Il fut un moment où, dans ce pays, notre problème fondamental, c'était le problème de stabilité. Vous vous rappelez très bien. On a connu des périodes vraiment de turbulences politique qui ont été euh, très préjudiciables le développement de ce pays. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit qu'il faut toujours garder en ligne de mire euh, quand même euh, la stabilité et le développement de ce pays. Nous sommes très en retard. Il fut un moment donné, nous connaissons vraiment des coups d'État à répétition qui sont consécutifs vraiment en tout cas à des mésententes euh, et à des débats stériles, des débats politiques stériles vraiment en tout cas animés par des provoqués, animés par des politiciens. Aujourd'hui, grâce à Dieu, pendant vraiment en tout cas huit ans, nous avons connu certaines accalmies. Le Niger a commencé vraiment à sortir la tête de l'eau. Bah, vous même si le développement véritablement en tant que tel n'a pas été amorcé quand même, il y a des signes quand même euh, avant-coureurs qui attestent quand même que vraiment, en tout cas, ça va, nous commençons à sortir. Nous, c'était que euh, nous n'avons pas connu cette stabilité, cette quiétude. Certainement que face même au phénomène d'insécurité aujourd'hui qui est en train de nous tenailler, nous ne l'aurons pas tenir. Mais c'est parce que quelque part, aujourd'hui, le pays est stable, le pays vraiment, en tout cas, connaît une certaine stabilité, que nous arrivons quand même aujourd'hui à nous assumer face même à trois foyers de terrorisme, au nord, au sud et au nord, euh, à l'est, je veux dire. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut toujours garder vraiment en ligne de mire la paix. vous avez parlé des élections. Je crois que euh, la CENI, en tant qu'organe d'arbitrage, il faut faire très attention. La CENI n'est pas vraiment, en tout cas, euh, un organe, euh, vraiment, en tout cas, du c'est pas un juge électoral, je veux dire. La, la CENI, c'est un organe technique chargé d'organiser les élections. Quelles que soient les conditions, la CENI est tenue d'organiser vraiment les élections. C'est ce que les gens oublient. Que ce soit des élections vraiment, en tout cas, parfaites, moins parfaites, les élections bien ou moins bien, dans tous les cas, la CENI est un organe technique chargé d'organiser les élections. Maintenant, de l'autre côté, la démocratie telle qu'elle a été élaborée ici et ailleurs a prévu un certain nombre de mécanismes. Par exemple, la Cour constitutionnelle et le juge électoral. Voyez-vous Maintenant, tout cela, c'est-à-dire participe à quoi Participe à aboutir sur des élections sereines, des élections stables, des élections acceptables. Moi, c'est pourquoi j'ai dit en amont. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même que tous les acteurs, pas seulement le pouvoir, l'opposition aussi, bah, vous Parce que dans cette affaire-là, il faut voir toujours comme si c'est deux mains qui s'applaudissent. Bah, vous Donc le pouvoir a le pouvoir. Le pouvoir organise les élections dans tous les cas. Le, est tenu d'organiser des élections, vraiment en tout cas, euh, au risque de se retrouver dans une situation, euh, c'est-à-dire inconstitutionnelle. Bah, vous Le pouvoir ne peut pas vraiment se faire harakiri au point de laisser vraiment les choses pourrir et, et que le mandat du chef de l'État, vraiment en ce cas, soit terminé, le mandat des députés soit terminé et tout ça. Parce que là aussi, c'est un danger. vous et c'est peut-être ce que l'opposition cherche aussi. Mais de l'autre côté, l'opposition aussi qui aspire à gouverner ce pays et qu'elle a, qu a, droit à gouverner ce pays, il faut le dire aussi, euh, cherche quand même à, à, ce que les choses se fassent vraiment, en tout cas, selon sa vision. Donc c'est pourquoi moi, je, ce que je suggère, euh, comme vraiment en tout cas conseil dans cette affaire, il ne sert à rien vraiment de et de se faire vraiment en tout cas des débats inutiles. Il faudrait réactiver le CNDP. Contrairement à ce que mon ami Gare vient de dire, le CNDP n'est pas un organe constitutionnel, mais le CNDP, c'est un organe quand même politique qui a fait ses preuves. Voyez-vous, quand les positions sont très écartées, sont très éloignées, quand les deux forces sont, aux antipodes, il arrive vraiment au CNDP, qui est un organe euh, consensuel, je veux dire, d'approcher les deux vraiment positions, vraiment de mettre les acteurs au bord de la table. Dans tous les cas, il faudrait un arbitre. Et sans ce dialogue-là, c'est-à-dire que le pouvoir va organiser ses élections, l'opposition va compter ces élections et nous allons aller directement au mur. Ce n'est pas une bonne chose pour nous. Or, 2021, nous avons toutes les chances aujourd'hui, vraiment en tout cas, de connaître vraiment en tout cas une période vraiment qui doit normalement aboutir sur vraiment un véritable développement parce que quand même le Niger est en train d'amorcer quand même une période quand même qui est assez rassurante, il faut le reconnaître. Mais si 2021 n'est pas bien vraiment en tout cas ce test n'est pas bien passé, je vous assure que ça ne va pas être bien pour nous. Et on risque d'être vraiment, en tout cas, plus que dernier. Dès la nuit du 19 au 20 mai dernier, des hommes armés arrivés sur des motos ont attaqué le village d'Agué, département d'Ayoru, région de Tilaberi. Le bilan fait état de 17 morts et d'un blessé grave. Le ministre de l'Intérieur a fait le déplacement du village d'Agué pour constater et soutenir moralement les familles endeuillées. Boukar Sédikali. Euh, comment comprendre cette autre attaque dans le village d'Agué qui ne serait pas l'œuvre des djihadistes selon plusieurs sources Bon, euh, moi j'ai une lecture euh, tout autre de ce phénomène qui est en train de se développer sous nos yeux aujourd'hui dans la zone de Tirabéry et plus précisément vers Ayuri et Firengue. Euh, je pense qu'il faut faire très attention et essayer vraiment d'être lucide pour avoir vraiment en tout cas cette capacité d'analyser et de percevoir vraiment en tout cas les détails de cette affaire. Il fut un moment où nous parlons que de la région de Difa avec Boko Haram, il fut un moment où nous parlons vraiment, en tout cas, des attaques dans le nord Agadez, dans des zones vraiment, en tout cas, de, de de l'Azawak. Et, aujourd'hui, nous parlons plus de la zone de Telabéry et de Filengue, si vous avez remarqué. Ce sont souvent des épiphénomènes qui risquent vraiment, en tout cas, de muter pour donner lieu vraiment à des phénomènes extrêmement graves. Là, on parle d'ethnie, si vous avez remarqué. Récemment, et euh, ceux qui sont venus dans la zone de Firingue pour attaquer autre là appartiennent à telle ethnie. ceux qui sont victimes appartiennent à tel autre. Euh, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir. Nous, à travers, par exemple, nos recherches et nos travaux au niveau vraiment, en tout cas, du réseau de journalistes au niveau du G5 Sahel et autres là, nous avons pu vraiment en tout cas décrypter cette situation vraiment en tout cas d'insécurité pour comprendre que euh, souvent, c'est-à-dire que c'est des problèmes qui sont négligeables et qui se développent pour donner lieu à des facteurs, vraiment à des problèmes très graves, qui sont même difficiles à maîtriser. Voyez-vous, par exemple, ce phénomène. Au Mali, le ministre de l'Intérieur l'a dit d'ailleurs récemment, et c'est vrai, il fut un moment où on a connu vraiment, en tout cas, un phénomène d'insécurité d'envergure. C'est-à-dire que le Mali a été attaqué par des jihadistes. Après, il y a une rébellion qui s'est développée dans le nord, qui a vraiment, en tout cas, créé une situation vraiment, en tout cas, vraiment presque ambiguë. voyez aujourd'hui, une partie du Mali n'est pas vraiment sous le contrôle de l'État malien. Euh, là, dans cette partie se développe toutes les sortes, vraiment, en tout cas, de tares, de problèmes, voyez-vous, et personne ne contrôle cela. Et maintenant, parallèlement, si vous avez vraiment, en tout cas, les informations, euh, il y a dans la zone de Mopti et jusqu'à la zone vraiment, en tout cas, de, de Nioro, là, dans cette zone, il y a un phénomène qui est en train de se développer qui fait qu'il y a une nouvelle milice qui échappe à tout contrôle, qui est en train de se développer. Et cette milice, c'est une milice ethnique vous Et si une milice naît dans la zone de Nioro, dans la zone de Mopti ou autre là, forcément cette milice va prendre vraiment, en tout cas, euh, va se donner vraiment une certaine euh, vraiment influence dans toute la zone jusqu'à déborder même sur le Niger. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui dans la zone de Filingue, Ayuru, autre là, a des relations directes avec ce qui se passe au Mali. vous Et on connaît les leaders les leaders vraiment en tout cas de cette milice, de ce phénomène qui est en train de se développer, tout le monde le connaît. Au début, les gens ont pensé que c'était des animateurs religieux qui sont versés dans le djihadisme, tel que autre là, Amadou Koufa et autres là. Mais aujourd'hui, leur message passe. Et jusqu'à ce que même, les gens parlent même d'hommes politiques extrêmement, des hommes politiques extrêmement influents qui sont au Mali, aujourd'hui, qui sont vraiment, en tout cas, euh, presque les parrains vraiment de ceux qui sont en train de se développer. C'est pourquoi moi, ce que je suggère à, à mon pays, le Niger, puisque dans tous les cas, il s'agit vraiment, en tout cas, euh, de mon pays qui est aujourd'hui menacé, que le Niger déploie toutes les forces nécessaires. C'est-à-dire, face à certains phénomènes, il ne faut pas essayer vraiment, en tout cas, d'amorcer une sorte vraiment de redéploiement graduel. Non, il faut se déployer avec force et de façon vraiment énergique. C'est ça la force de l'armée américaine. Vous avez remarqué que dans certaines situations, dans certains coins du, euh, du monde, quand il y a un petit phénomène, l'armée américaine se déploie avec une force terrible de telle sorte qu'il dissuade automatiquement vraiment les acteurs, vraiment en tout cas du phénomène. Donc aujourd'hui, je crois, j'appelle au président Issoufou, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, déployer toutes les forces nécessaires. C'est-à-dire les services de renseignement nécessaires pour que vraiment la bande euh, ouest soit vraiment en tout cas stabilisée. Garé Amadou, cette euh, attaque intervient dans un contexte où les communautés Peul euh, du Mali, du Niger et du Burkina, Boukar Sidika l'a rappelé, commencent à s'organiser en milices d'autodéfense. Peut-on sécuriser les populations avec des milices Oui, avant d'aborder cette question, vous allez me permettre quand même en quelques secondes de pouvoir parler de la question de non, mais c'est important. c'est très important la question de la CENI. Vous savez, eh, le dialogue inclusif, tout le monde le veut. Mais vous avez une opposition politique qui refuse d'abord de s'asseoir à la table du CNDP et qui ne veut pas partir à l'invitation de la CENI. Dans ces conditions-là, c'est compliqué quand même. Parce que c'est le CNDP au sein duquel on pouvait discuter. Je passe là-dessus. Et puis, pour concerner l'organisation des élections, je crois que c'est le panier commun que le, Niger a l'habitude de faire. C'est-à-dire que le Niger amène une, part et puis l'ONU, les Nations Unies, etc., etc. Je pense que, on ne sait pas si c'est le même processus ou c'est un autre, mais on va voir. Mais concernant ce qui se passe, effectivement, cette attaque à Agri, c'est extrêmement grave. Parce que quand on suit ce que le ministre de l'Intérieur a dit, c'est comme si c'est une sorte de vendetta qui a été commise. Il y a eu une attaque et le mois dernier presque à la même période vers le 17, où 18 personnes ont été tuées en territoire malien. Et ce sont les gens-là qui sont revenus en représailles contre le village-là pour tuer le même nombre, en fait, ils ont voulu. Ils ont tué 17 et celui qui devait être le 18e est dans un état grave. Voilà. Ils voulaient tuer exactement 18. Donc, mais c'est extrêmement grave parce que, pour moi, la suite de cette affaire, c'est que les ministres d'autodéfense sont en train de se former. Et le problème des ministres d'autodéfense, c'est que quand les ministres d'autodéfense se forment, il y a un pas entre les ministres de d'autodéfense et les ministres les bandits et sur les, les milices insurrectionnelles, c'est-à-dire qui revendiquent des portions du territoire. Parce qu'une fois qu'on laisse les gens s'armer, eh bien, ils deviennent. Oui, mais, mais enfin, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ces populations-là, moi, je peux les comprendre parce que quand vous êtes dans une situation de vulnérabilité, quand vous constatez que, que l'armée n'arrive pas à vous sécuriser, à assurer votre sécurité, vous êtes obligé de vous défendre. Mais comment est-ce que cela doit se faire C'est pourquoi moi, ce que je veux, c'est que l'État, en tout cas l'armée nationale, doit se déployer dans ces zones-là. Ces populations-là qui sont au niveau de ces villages-là, Ce n'est pas de guetter de quelqu'un peine les armes. Hein. Il faut bien les comprendre. Parce que quand on vient dans votre village, on massacre 18 personnes, vous allez vous interroger. Est-ce que vous allez rester les bras croisés jusqu'à la prochaine attaque ou qu'est-ce que vous allez faire Voilà toute la problématique. Donc la problématique, c'est la présence de l'armée sur toutes les portions du territoire et surtout au niveau Comme l'a dit Boukar c'est clair il faut que l'armée soit présente pour assurer, pour assurer la sécurité. Oui, oui. Et tout. tout. Il faut, assurer, il faut que les populations se sentent protégées. Parce que tant qu'elles ne se sentent pas protégées, dans une situation comme ça, elles sont obligées de se, de se débrouiller. le Niger, c'est quand même 1 million 267 000 km. C'est vaste. C'est très vaste. L'armée ne peut pas être partout. Et les terroristes le savent, et les bandits le savent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire c'est-à-dire que d'abord, il faut augmenter le recrutement au niveau de l'armée, mais surtout faire le travail de renseignement. Et faire en sorte que l'armée soit pratiquement présente partout. Parce que moi, regarde, avec l'attaque du Tongo Tongo, il a fallu qu'il y ait l'attaque pour que je sache qu'il y a un village qui s'appelle Tongo Tongo. C'est ça là qui m'a permis de savoir qu'il y avait un village Tongo Tongo. Mais une fois j'étais parti de la bourse de Tilaberi, dans mais je suis arrivé dans, dans un village à côté de la frontière du Mali, mais vous n'allez pas croire que vous êtes au Niger. Tellement il n'y a pratiquement rien du tout. Et j'ai dit, ça, ça doit interpeller les gens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'État soit présent partout, il faut que l'armée soit présente partout. Quitte à augmenter les moyens de l'armée, augmenter, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'effectifs, mais vraiment, il faut qu'on puisse régler ce problème-là. Si les ministres de l'autodéfense sont, sont, formés, il faut que par une opération de sensibilisation, qu'on puisse peut-être les encadrer. N'est-ce pas Ces gens-là qui ont pris des armes, on peut les recruter mais en leur faisant, en leur faisant subir une formation, n'est-ce pas, pour leur faire savoir qu'ils sont au service de la nation et non de leur village en ce moment, ça peut éviter des dérapages. Issa selon beaucoup d'observateurs, cette attaque de la localité d'Aguin s'apparente à un règlement de compte. Comment l'expliquer Écoutez, vous savez, on a tellement laissé cette situation pourrir jusqu'à aujourd'hui atteindre un niveau où ça, doit, ça est en d'inquiéter les gens. Vous savez, la, zone nord Berry depuis, on peut le dire, euh, avec, euh, je pense que c'est bien dans le, avec le dernier trimestre de l'année 2017 où la situation a commencé à se compliquer. Parce que nous avons constaté, malgré l'état d'urgence dans la zone, il y a des inscriptions des gens qui, à moto. Malgré une inscription encore, de la circulation en moto, qui viennent dans des villages pour c'est même pas du vol. Il vient seulement, ils demandent, parfois ils prennent même pas, ils ne prennent même pas des biens, non, non. On demande qui sont les, chefs, on les exécute, on part. C'est comme si ces gens qui sont dans cette zone nord euh, sont en complicité avec les présumés groupes djihadistes qui sévit dans la zone de Gourma, euh, Gourma qui regroupe l'Iptako Gourma euh, entre à cheval entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Or que c'est pas la même chose parce que eux ils, se sont réclamés de l'ordre de de plusieurs ethnies. Ce ne sont pas coup, c'est vrai, son nom, coup c'est Pearl quand on entend, mais ce n'est pas forcément sous la base, sous la couverture, la bannière ethnique qu'il avait ça. Maintenant, le conflit a commencé à couver Et au vu eux aussi de tout ce qui est extrêmement grave de la force Barkhane qui est là. Tout le monde sait les, les incursions que le MSA fait sur le territoire nigérien pour dire que non, ils sont en collaboration. Comment c'est même le laxisme de l'État nigérien, parfois, de laisser ces gens-là, parce qu'ils sont en collaboration avec quelle base juridique qu'ils ont. Ce sont des milices également. Parce que moi, je suis contre le développement des, milices. Parce que cela fragilise nos États. Quand les milices se développent, ça fragilise la souveraineté de nos États. Donc, c'est à nos États par rapport à certaines situations. Comment le Niger peut permettre aujourd'hui le MSA, tout récemment, le patron du, je veux blâmer ça qui le connaît pas sur le mouvement du salut de l'Azawad. Son patron a intervenu euh, sur, dans une interview euh, sur, dans le journal Jeune Afrique qui disait que ils font des incursions au Niger parce qu'ils sont des partenaires pour aller sécuriser les populations qui sont victimes des atrocités de certains terroristes. Mais non, moi, j'ai été dans la zone là. Quand vous partez dans la zone là, vous demandez aux populations, c'est quoi Quelle est votre perception de l'insécurité Ils vont vous dire la première source d'insécurité, c'est ces gens-là qui viennent en moto dans cette zone. Et au vu eux aussi, quand nous on essaye de d'informer, on fait fi. Aujourd'hui, ce qui est extrêmement grave avec ce qui avec ce qui s'est passé à Gaï. Quelques jours après ce massacre d'Agaï, on vient annoncer qu'il y a la création d'un municipal dans la zone qui va servir de la zone du Gourma jusqu'au nord euh, euh à Bala. Voyez-vous donc, on va assister à quoi On va assister, si on ne fait pas attention, à la même situation qui est en train de se passer à Kidal, où les forces maliennes n'ont même pas le droit de pénétrer dans la ville. Boukar Sidikali, rapidement. moi, je pense que euh, il faut faire très attention parce que euh, quand vous parlez trop ouvertement vraiment des ethnies et autres là, vous essayez de créer de la stigmatisation inutile. Vous savez, dans ce phénomène-là, il y a beaucoup de pièges vraiment dans lesquels on risque de tomber si on ne fait pas attention, puisque c'est une guerre d'abord qui est un peu psychologique. Tout à l'heure, euh, vous avez parlé un peu de euh, morts qui sont là et qui n'ont pas pu enterrer, voilà, voilà, des trucs comme ça. Ceux qui veulent aujourd'hui des malheurs du Niger et de certains pays de la sous-région peuvent exploiter en abondance euh, ce genre d'informations pour vraiment, en tout cas, crisper ou euh, polluer l'atmosphère. Moi, je pense que il faut toujours chercher à dédouaner l'armée. L'armée aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont décidé volontairement de s'incorporer dans un corps pour se mettre au service de la nation, au service vraiment de la sécurité collective, pour nous défendre, c'est-à-dire matin, midi et soir. Vous avez vu aujourd'hui le traitement de ces hommes, vous avez vu aujourd'hui les conditions climatiques dans lesquelles travaillent ces enfants-là. Aujourd'hui, rien que pour sécuriser vraiment, en tout cas, les populations, nous autres qui sommes là en train aujourd'hui, vraiment en train de vaquer à nos occupations dans la tranquillité, la paix. Nous sommes là dans son studio climatisé en train de parler à l'aise parce que quelque part, il y a la paix. Et la paix qui la garantit, c'est l'armée, c'est les forces de défense et de sécurité. Donc, bref, maintenant, euh, je passe à l'autre point concernant vraiment ce phénomène qui est en train de se développer à la frontière Niger et Mali. Vous savez, à un moment donné, j'avais échangé des informations avec un responsable, vraiment en tout cas des de renseignements euh, Il me dit, désormais là, eux, ils sont en train d'échanger carrément de stratégie. Parce que c'est un élément de la géostratégie aussi. Euh, il fut un moment où ils avaient appuyé une communauté qui est vraiment très visible, une communauté qui a du mal à se fondre dans la grande masse des populations négro-africaines qui est la population Touareg. Vous, à un moment donné, cette population a été beaucoup appuyée pour vraiment, en tout cas, la déstabilisation du, Mali. Ils ont reçu gain de cause parce qu'ils se sont contentés tout simplement de la, euh, comment on appelle, de, de l'Azawad. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font euh, puisque le but n'est pas encore atteint, il faut essayer vraiment de rentrer au sein des communautés négro-africaines pour prendre certains pas de ces communautés qui sont plus ou moins vraiment à cheval entre ce qu'ils appellent la race blanche et la race noire. Vous, pour vraiment en tout cas les monter. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui désormais. Et si ils essaient de choisir une communauté comme par exemple la communauté Peul autre là, c'est qu'ils ont toutes les chances vraiment en tout cas de toucher et le Niger, et le Mali, et le Burkina, et le Tchad, et le Nigeria, et toute, l'Afrique de l'Ouest de façon générale. Maintenant, la question, est-ce que la communauté vraiment a intérêt à vraiment jouer le jeu À mon avis, non. Par exemple, quand vous prenez le Niger aujourd'hui, euh, il est très difficile de séparer le Kanuri au Il est très difficile de séparer le Hausa au Il est très difficile de séparer le Touareg au Il est très difficile de séparer le Germain au C'est-à-dire que nous sommes dans une sorte de moule ou vraiment, en tout cas, les ingrédients sont difficiles à mettre vraiment en évidence. C'est pourquoi moi, je dis, tenons vraiment compte de, vraiment de cette unité, de ce trésor immense que nous avons, qui est l'unité nationale, et restons ensemble. Autre sujet d'actualité, c'est cette situation de détresse avec l'étillage sévère du fleuve Niger. Une situation qui ralentit la production d'eau euh, du secteur euh, de la pêche, la navigation, etc. Le fleuve Niger connaît aujourd'hui son plus bas niveau depuis plus de 30 ans. En Niamey, cette situation a considérablement réduit la capacité initiale de mobilisation des eaux pour la station de pompage de Goudel qui était de 3 millions de mètres cubes. Aujourd'hui, de 800 000 mètres cubes. Face à cette situation, la société nigérienne des patrimoines des eaux du Niger, espagne a engagé des travaux de rehaussement du seuil du barrage afin d'assurer l'approvisionnement normal en eau de la ville de Niamey. Gare Amadou, le manque euh, suffisamment d'eau au fleuve Niger préoccupe. Euh, quels sont ou seraient euh, les impacts sur la vie, l'environnement? l'impact, il est là sur, sur, nos, vies, parce que nous, toute la journée, on n'a pratiquement pas de l'eau. On a de l'eau que la nuit, et à partir d'une certaine heure. C'est-à-dire que la matinée, là, il ne faut, même pas, faut pas tenter d'ouvrir de, la pompe, il n'y a pas de l'eau. Et on a donc, de 3, de 3 millions de mètres cubes, on arrive à 800 000. Mais c'est très grave pour une population de Niamey qui est en train de grandir, pour le quartier qui est en train de grandir, enfin la ville qui est en train de grandir à chaque à, à grands pas, je crois que le défi est immense. Peut-être qu'avec l'arrivée de la saison de pluie, n'est-ce pas, le fleuve va retrouver sa, sa, son, cours normal, son cours normal peut-être. Mais vraiment, je vous assure que cette situation est extrêmement inquiétante. Elle est tellement inquiétante que le Premier ministre, hier, je crois qu'il est parti au niveau de la station de Goudel pour voir ce qui se passe. Et il a, il a vu, et, vraiment, il y a l'inquiétude. Parce que si le Premier ministre lui-même se déplace, ça veut dire qu'il a péril à la demeure. Et la pêche, tout ça, là, ça, c'est des... Non, c'est l'eau pour boire même. C'est de ça qu'on parle. Nous, la pêche et tout ça, là, la culture, ça, là, c'est après. L'eau pour boire. Et je pense que, et je vous assure que, je dois interpeller quand même la population à ne pas gaspiller l'eau. Parce que cette situation-là, pourquoi je dis qu'il ne faut pas gaspiller Cette situation-là doit nous interpeller. Quand vous sortez, il faut bien fermer vos pompes, il faut bien fermer vos robinets, n'est-ce pas Il ne faut pas gaspiller de l'eau, parce que l'eau est devenue aujourd'hui très, très, très plus précieuse qu'avant, à cause de sa rareté. Boukar Sidikali, cette situation pourrait, semble-t-il, compromettre l'ambitieux programme du Kandaji. Êtes-vous de cet avis Que fait le politique pour aider à un retour à la normale oui, mais <laughs> le barrage de Kandaji, c'est un barrage qui est situé sur le fleuve Niger. Si le fleuve Niger ne coule pas, il n'y a pas de barrage. Vous êtes d'accord avec moi Mais moi, je pense qu'il faut aller au-delà, vraiment, en tout cas, des problèmes qui sont perceptibles à l'œil nu, comme on dit, euh, pour être très simple, euh, pour s'attaquer vraiment, en tout cas, aux causes, vraiment, en tout cas, politiques. Voyez-vous, par exemple, le, fleuve Niger. Pourquoi aujourd'hui on a des sérieux problèmes au niveau du fleuve Niger C'est vrai, il y a l'ensablement qui est là, il y a les changements climatiques qui ont, leurs effets, mais le problème, c'est une question même de gestion du fleuve Niger qui se pose au niveau des États. Aujourd'hui, il y a une sorte de construction anarchique de barrages sur le fleuve Niger qui a vraiment considérablement ralenti vraiment l'écoulement de ce fleuve. Voyez-vous, ça veut dire qu'il n'y a pas une politique d'intégration une politique vraiment cohérente qui consiste vraiment, en tout cas, à définir vraiment une exploitation commune, mhm. partagée et harmonisée vraiment, en tout cas, des eaux du fleuve Niger. Chacun fait vraiment, en tout cas, euh, selon vraiment, en tout cas, ses intérêts. La Guinée le fait, le Mali le fait, le Niger le fait. Mais vous avez remarqué un phénomène aujourd'hui qui est tellement inquiétant. Moi, aujourd'hui, ça me fait tellement mal. Euh, au niveau vraiment, en tout cas, des marchés, le poisson que vous trouvez, les carpes, les thérapeutes, les capitaines que vous trouvez, qui ne sont pas congelés, euh, ça, vient du Mali. c'est pas des poissons du Niger. C'est ça qui est très grave. Voyez-vous Donc ça veut dire que ceux qui ont vraiment, en tout cas, le, fleuve en amont, ont créé des conditions pour que ça ne coule pas vers le Niger. Et nous, nous, sommes en train aujourd'hui de patauger, de piétiner sur le seul ouvrage que nous voulons réaliser depuis 50 ans. Nous n'aurons pas à le faire, alors que l'État malien, haute là, est à plusieurs barrages et la Guinée n'en parle même pas. Voyez-vous Donc, ce qui fait qu'il va falloir qu'au niveau des États, au niveau des chefs d'État, que le problème soit posé de façon vraiment très réaliste, très, euh, c'est-à-dire euh, très sérieuse, pour que vraiment le, fleuve puisse trouver vraiment son écoulement. Sinon, par exemple, on a beau crier l'ensemblement, autre, on peut même creuser aux heures de trous de plusieurs milliers de, euh, de mètres de profondeur, ça ne sert à rien. Il va falloir que l'eau coule d'abord. Voilà le problème du fleuve Niger. Issa Madougou, que faut-il craindre si rien n'est fait mais que c'est comme <laughs> c'est ce que euh, le grand frère euh, Sidik Garé vient de dire. C'est on court vers la catastrophe. Mais aujourd'hui, ça a été dit depuis des années que euh, le refus de, certains pays du bassin de coordonner leurs activités sur le fleuve va nous conduire vraiment à la catastrophe. Depuis des années, moi je me rappelle lors du Forum mondial de l'eau en euh, 2012 à Marseille, il y a des experts quand il avaient vu l'exposé comment réhabiliter, redonner euh, au lac Tchad toute sa force pour qu'elle puisse réellement, comment on appelle, Hmm, cette source puisse donner réellement, euh, jouer réellement son rôle dans le développement socio-économique de cette zone, il a été démontré qu'il faudrait qu'aujourd'hui tous les pays aient la même politique, que l'autorité du bassin du lac Tchad ait la même politique dans tous les pays, et de même que l'ABN. Parce que pourquoi, quand euh, l'espère expliquait, moi j'étais euh, euh, présent à la conférence, quand il expliquait, il disait il voulait pas assister au même phénomène de ce qui se passe au niveau de l'ABN. Parce qu'ils ont compris qu'au niveau de l'ABN, tous les pays sont indépendants. L'ABN, l'autorité de bassin du fleuve Niger, c'est comme si c'est juste un comité qui est là, qui ne prend pas, qui est composé d'espèces. C'est quand seulement il y a l'étiage qu'ils vont donner des, des, des, les, les dates et consorts. Mais tout d'abord, par rapport à cette situation, moi, je salue d'abord la promptitude de l'ASPEN pour pouvoir garantir l'approvisionnement en eau potable. Vous avez vu, en quelques jours, c'est plus de 15 000 sacs de sable qui ont été placés au niveau du mini barrage de, de la station de pompage pour pouvoir donner de l'eau c'est ce que les gens ne reconnaissent pas, les efforts qui sont en train d'être. Par contre, à leur concert, la Nigeria qui ne donne même pas qui se permet de couper le courant. Non, c'est Mokhtar, j'arrive. Quand les gens font des choses merveilleuses, il faut, il faut reconnaître. Quand les gens font du bon travail, il faut leur reconnaître cela. Moi, je salue vraiment la promptitude parce que l'eau, c'est la vie. Et la scène a, pu démontrer qu'aujourd'hui, malgré cette situation. La scène ou la spène La du moins, que cette situation est inquiétante. Mais au-delà, qu'est-ce qu'il faudrait faire c'est de penser aujourd'hui à de nouvelles formes de captage d'eau pour approvisionner. Le fleuve, ce n'est plus maintenant une garantie. Il faut penser aux nappes phréatiques, même si c'est à courir qu'on doit aller pomper de l'eau pour approvisionner les grandes villes. Moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui. La cartographie hydraulique du Niger le montre. Autour de Niamey, il y a des nappes qu'on peut aujourd'hui utiliser pour approvisionner Niamey. Le fleuve n'est plus une garantie maintenant, c'est de faire des investissements conséquents, réfléchis pour pouvoir assurer euh, cette source de vie aux populations digérées. et à moindre coût. Ne laissez pas aussi euh, faire en sorte que ça soit géré par d'autres qui ne sont là que pour, pour leurs propres intérêts. Dans une déclaration rendue publique hier à Niamey, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a dénoncé le non-respect de sa plateforme revendicative par le gouvernement. Il exige la réouverture sans délai des restaurants et les cités universitaires de Zander euh, Maradi, ainsi que le paiement des arriérés de bourses et de pécules euh, des scolaires. Boukara Sidikali, rapidement. Comment expliquer que euh, les revendications des scolaires souffrent encore malgré la suspension de la grève pour pour euh, donner une chance euh, au dialogue euh, rapidement Moi, je pense que, quel que soit vraiment, en tout cas, la gravité de la situation, il faut toujours aller au dialogue. cest vrai, l'USN est sorti hier pour faire sa déclaration, pour demander vraiment l'ouverture. Je trouve que quand même c'est assez sage, parce qu'on on a comme l'impression qu'il y a une prise de conscience par rapport à la gravité de la situation. Euh, c'est ce que même le gouvernement voulait. Le gouvernement voulait qu'il y ait vraiment l'ouverture du dialogue pour que les choses. dans ce cas, les conditions, moi, à mon avis, sont désormais créées pour que les deux parties s'approchent et se mettent autour de la table. Mais maintenant, ce qu'il faut essayer vraiment aussi de déplorer, c'est que euh, dans cette situation, euh, j'ai comme l'impression que il y a toujours vraiment, en tout cas, des victimes collatérales qui n'ont rien à voir avec ce phénomène, qui sont les enfants maintenant qui se préparent vraiment à aller faire les examens vous aujourd'hui, c'est des périodes d'examen. Il y a ceux qui font les bacs, il y a ceux qui sont les brevets, il y a ceux qui font vraiment, en cas, qui passent vraiment, en cas, en classe vraiment, en tout cas, du secondaire, du premier au secondaire. Ces gens-là, aujourd'hui, risquent vraiment, en tout cas, euh, d'être vraiment des victimes collatérales si on ne fait pas attention. Issa Madougou, dans cette déclaration, l'USN demande aussi la libération des scolaires arrêtés et accuse le pouvoir d'être euh, seul responsable de la dégradation de la situation scolaire au Niger. Comment analysez-vous ces faits et accusations rapidement c'est la routine. Il n'y a pas eu, le contenu n'a pas changé. C'est eux qui ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève. Donc moi je pense qu'ils étaient un peu précipités de faire le bilan. C'est parce qu'ils ont, ils ont dit que c'est pour des raisons vraiment pour ne pas euh, bloquer beaucoup de, de, de, leurs camarades qui sont en classe d'examen, qui doivent continuer leurs études. Moi je pense que revenir encore sur la même chose, je ne comprends même pas réellement aujourd'hui l'attitude de l'IOCN. Le SN est là, vous posez des revendications, vous faites vraiment preuve de grandeur d'esprit en levant votre mot d'ordre de grève pour permettre à vos camarades d'aller à l'école. Et en un rien de temps, vous revenez encore. Bon, franchement, moi, on va voir. Non, je ne sais pas ce qui les a. D'ailleurs, je me suis fait, euh, vous le savez, je me suis fait vraiment euh, la violence d'intervenir sur ce sujet parce qu'on en a tellement discuté. Moi, je dis que ça ne vaut même pas la peine. Gary Amadou, nous sommes à un virage euh, des examens de fin d'année et la crise scolaire persiste. Quelle pourrait être la solution ou les solutions pour sauver ce qui peut encore être sauvé? Je pense quand même que l'ISN a des revendications tout à fait légitimes et de revendications que je trouve assez extrémistes parce que la fermeture de restaurant au niveau de Maradou de Zander est consécutive à quand même des incidents, c'est quand qu'il faut dire. Donc il ne faut pas demander à ce que... Non, non. C'est-à-dire il faut d'abord ramener l'ordre et la discipline parce que des gens ne peuvent pas se comporter comme ce sont les patrons du restaurant qui peuvent euh, euh, chasser le personnel. Ça, je ne suis pas d'accord. Il y a des revendications légitimes, par exemple, il faut payer les bourses des étudiants. Moi, je l'ai toujours dit, il est inadmissible que les étudiants puissent avoir six mois d'arrêt de bourse. Nous, on l'a subi quand on était étudiant. Vous comprenez Six mois, plus de six mois même on a fait des années blanches, etc. etc. Mais c'est extrêmement grave. Il faut qu'on puisse chaque trois mois permettre aux étudiants d'avoir leur bourse, parce que c'est ça qui leur permet de, de, vivre. Et, l'aide sociale aussi, il faut qu'elle puisse venir à temps. On ne peut pas accumuler les arriérés et puis mettre les situations de, étudiants dans une situation de précarité et vouloir euh, démontrer que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Donc il y a des revendications assez légitimes qu'il faut effectivement euh, euh, résoudre et, il y a des revendications que je trouve assez fantaisistes quand même de demander tout de go que non, non il faut qu'on ouvre. Je suis d'accord qu'on ouvre, mais il faut d'abord qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était à la base de, la fermeture, quels sont les auteurs de, ces, pour qu'on puisse vraiment les, punir. On ne peut pas laisser les gens se comporter comme ça, c'est inadmissible. Il y a des solutions. La solution, je pense que eh, au niveau de l'Assemblée nationale, eh, il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été mise en place, qui a déjà commencé à travailler depuis une semaine, qui est en train de rencontrer toutes les parties, n'est-ce pas, qui est en train de prendre tous les éléments qui puissent lui permettre de trouver une solution à cette question de, l'université de Niamey. Et je suis sûr qu'on va y parvenir. Mais pour le moment, moi je ne pense pas que le gouvernement a, fermé la porte. Le gouvernement a fait un pas, l'USN a fait un pas, on a ouvert le campus, on a ouvert le restaurant. Maintenant au niveau des régions, il y a deux restaurants qui ont été fermés, ils vont être rouverts. Maintenant, ce n'est pas que le dialogue est... Il ne faut pas que chacun campe sur sa position. Il ne faut pas que l'USN mette des préalables avant le début de négociation. Non. Déjà, tout le monde a fait preuve de bonne volonté. Il faut s'asseoir sur la table et discuter. Il n'y a pas de question qui ne peut pas, être discutée. Même la question des étudiants, exclus, elle peut être discutée. Rapidement. Moi, je pense que euh, dans ce genre de situation, euh, l'USN a tout intérêt à dialoguer avec le pouvoir. Vous savez pourquoi euh, L'USN n'est qu'une organisation de jeunes étudiants. ici, en face se trouve tout un système. C'est l'État vous, ne pouvez pas engager un bras de de façon éternelle, de façon continue avec un État. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer, l'État, le pouvoir, le gouvernement qui est en place a vraiment, en cas, tendance à réussir à organiser vraiment, en cas, les euh, examens. Il y a eu le bac sportif. Il fut un moment où l'USN disait qu'il n'y aura pas de bac sportif, il n'y aura rien sur le territoire national. Ils ont même fait des appels, tout ça, ça n'a pas marché. Le bac sportif a été organisé vraiment de façon vraiment calme et avec brio. Euh, euh, cette fois-ci aussi, ça risque d'être la même chose. Si vraiment l'USN, avant cette date fatidique d'organisation des examens, l'USN n'engage pas vraiment les pourparlers pour sauver vraiment la face, je crains fort que le gouvernement puisse réussir et là, vraiment, ça va être un fiasco en termes d'image de cette organisation. Et voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec Issa Madougou, journaliste au groupe Radio et Télévision Ténéré, Garé Amadou euh, du quotidien La Nation et Sédic Ali, journaliste, analyste politique. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 minutes avec Maman Ada pour le forum en Hausa et Balkissa Hamidou pour le forum Anzarma. Merci, au revoir.